Fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire euh, de décryptage de l'actualité de la semaine, le forum de la presse votre rendez-vous qui vous propose des analyses sur des faits saillants et a marqué l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères de la presse. Dans ce numéro, nous discuterons des nouveaux cas de méningite, dont 22 décès enregistrés ces derniers jours dans des districts sanitaires de Magaria et Dungas dans la région de Zander. Ensuite, nous parlerons de la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits des femmes, une journée institutionnalisée par les Nations Unies depuis 1975 et qui vise à promouvoir la lutte pour les droits des femmes pour la fin des inégalités. Enfin, nous terminerons avec la levée samedi dernier de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 par les autorités saoudiennes qui ont décidé de dispenser les voyageurs vaccinés, notamment de quarantaine ou de tests de dépistage, une mesure qui aura à faciliter la prochaine édition du pèlerinage musulman à la Mecque. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Maïmoun Gado, journaliste indépendante, et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Une fois de plus, euh, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour euh, ce numéro du Forum de la presse euh, que nous débutons par un hommage à notre confrère Gréma Boukar, décédé à Tunis le mardi 8 mars 2022 des suites d'une maladie à l'âge de 63 ans. Feu Gréma Boukar fut journaliste à l'Office de radiodiffusion Télévision du Niger, ORTN, et ancien correspondant de la Voix de l'Amérique, VOA. Il était plus récemment, avant sa mort, le promoteur euh, du groupe de presse Anfani, euh, où il était donc euh, le PDG, et en même temps président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. Un mot suite à, ce décès, Maimoun Gado. Voilà, donc nous ne pouvons que en tout cas, euh, dire que la presse nigérienne, euh, dans sa totalité, euh, vient d'être frappée par la disparition subite du <clears throat> directeur général, le promoteur d'Anfani, Gréma. Nous lui rendons ici hommage et que Allah, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, dans son paradis éternel mhm. et que mes condoléances en tout cas à toute sa famille, à la famille de la presse nigérienne. C'est quand même quelqu'un, euh, il n'est pas parti, il est toujours avec nous parce que on garde de lui des souvenirs. Comme vous l'avez dit tout à, euh, tout à l'heure, il a en tout cas bercé euh, le corps de tout un chacun, les jeunes journalistes que nous étions, avec sa voix au niveau donc de VOA. Donc c'était, c'est, vraiment euh, une icône, si je peux le dire, hein, mm. au niveau donc de la presse nigérienne. Paix à son âme, il nous a quittés, c'est vrai, mais on est obligé de le faire ainsi parce que de patienter parce que c'est comme ça, Dieu l'a voulu ainsi. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie aussi. Mohamedou Suleiman, quel souvenir gardez-vous de Bokar Grima? Euh, on ne peut que d'abord euh, euh, prier pour lui, pour que son âme repose en paix. c'est véritablement, comme Mamoun l'a dit, une icône, un grand professionnel en tout cas, surtout un vrai promoteur de la liberté d'expression, la presse indépendante. Mm-hmm. Il a fait du sommet en tout cas. Et ce qu'on retient, c'est que fondamentalement, son média en famille, euh, mettait en avant euh, la liberté d'expression. Peut-être que c'est la déformation, la travers des médias, la voix de l'Amérique. Euh, mm-hmm. Effectivement, il y a ces valeurs. Donc, il a inculqué ces valeurs, en tout cas au niveau de son groupe, de sorte qu'en tout cas, il essaie de donner une version plurielle, en tout cas, à, l'expression donc à la liberté de la presse. Et je pense que c'est un acquis, la en il a en tout cas aussi une, vision aussi un peu multimédia parce que Green a aussi fondé un journal, euh, la presse indépendante, la scène des en tout cas, il l'a même, euh, je crois, une fois dirigé. Donc, euh, on voit cette ambition véritablement de quelqu'un qui s'est investi et qui a, je pense, apporté vraiment, fait en tout cas la de la presse nigérienne. Donc, on ne peut que souhaiter paix éternelle à son âme. Mm-hmm. Euh, Michel euh, je ne peux que joindre ma voix à celle des autres confrères pour le repos éternel du baobab de la presse. Euh, j'ai nommé Elhaji Gréma Boukar qui a répondu à l'appel de son Seigneur. Mm. Gréma, de son vivant, a été à l'avant-garde de toutes les luttes, notamment celle de la démocratie, de la liberté d'expression. Mhm. Euh, nous étions certes jeunes, mais nous avons souvenance euh, des pillages, euh, avant même ces reportages, mhm. des pillages euh, pendant les régimes d'exception dont a fait l'objet Amfani, la radio Amfani. Mhm. Et c'est dire que l'homme, vraiment, des brimades, l'homme a su tenir la dragée haute dans le cadre de la défense des droits humains, des libertés d'expression, de la liberté d'expression, on ne peut que s'incliner devant euh, euh, ce illustre disparu, puisse Dieu le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, puisse euh, l'accueillir dans son paradis éternel. Mm. Au groupe de presse, tout comme le réseau, sa famille biologique, les collègues, l'ensemble de la corporation, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Donc c'est une immense perte, une immense perte euh, je pense que Gréma a su vraiment être euh, un modèle pour plusieurs générations de journalistes. La preuve, en euh, Fanny a été le fleuron vraiment, un fleuron dans le paysage médiatique nigérien. Mhm. Donc, prions que cette dynamique qu'il a su inculquer, comme El l'a dit, puisse être préservée et que euh, dès le lendemain soit euh, davantage meilleur euh, pour ce groupe de presse qu'il aura en place. Merci beaucoup. Le groupe de presse, donc Anfani, il faut rappeler justement qu'Anfani était l'une des premières euh, radios privées du Niger, après, RM. naturellement. Il faut rappeler que la dépouille mortelle de Grima Boukar euh, Koura est attendue à Niamey ce week-end et son inhumation est prévue pour l'après-midi du dimanche au cimetière musulman de Yantala. Ainsi va la vie, paix à son âme et encore nos sincères condoléances. Plus de 500 cas de méningite, dont 22 décès, ont été enregistrés ces derniers jours euh, dans les districts sanitaires de Magaria et d'Ungas, région de Zander, selon le directeur régional de la santé publique de Zander. On écoute le directeur régional de la santé publique de la région de Zander, Dr Abdou Yahya Omiko Dali Keita nous avons enregistré un total de 534 cas, dont 22 décès, répartis à 234 cas pour Dungas avec 9 décès et 300 cas et 13 décès pour Magaria. Au moindre signe, dans tous les cas, pour n'importe quel type de signe qu'on présente, d'aller au niveau des centres de santé, mais aussi les mesures qu'on demande aux gens de renforcer, notamment l'hygiène, éviter la promiscuité, la cohabitation avec les animaux quand elle survient. il y a plusieurs microbes qui peuvent donner la méningite. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait suffisamment de médicaments pour prendre en charge le préalable. Ça, c'est quelque chose qui est garanti au niveau de toutes les formations sanitaires. Et la prise en charge de cette maladie, elle est gratuite. On paye pas. C'est pourquoi dès que le diagnostic est posé, effectivement, le traitement adéquat est appliqué au malade et il ne paye rien jusqu'à la sortie. Elagi Mohamedou Suleiman, quelle analyse par rapport à ces plus de 500 cas de méningite dans la région de Zander? Hey, euh, termes d'analyse, je pense que si suivant le docteur, euh, l'a donné des conseils euh, d'usage, euh, mhm. de précaution et très malheureusement, nous ne sommes pas très de façon pratique, euh, on a vécu le Covid récemment, on a vu quand il y a des mesures, en tout cas sanitaires, euh, souvent les gens sont négligents, on a tendance à, négliger. Et c'est ce qui est inquiétant avec la période de chaleur qui s'intensifie, mmh. parce qu'on voit vers euh, justement la, grande chaleur. Hein, nous sommes déjà en début mars, on se rend compte que effectivement ça, change. Mhm. Euh, donc euh, les effets de contamination, justement, ce qu'il dit, donc euh, et malheureusement, vous avez vu notre vie en vie avec les animaux souvent. Mhm. Même si de la capitale, je vois ce phénomène-là. Les conseils recommande de, réduire cela. Justement. Donc, vraiment, tout cela, je pense qu'il va falloir, au niveau du ministère de la Santé, euh, donc, en tout cas, prendre des mesures pour sensibiliser, euh, parce que je pense que c'est d'abord la, le premier, euh, la première mesure, en tout cas plus mhm. facile, je veux dire, sensibiliser, informer les gens. En tout cas, on a euh, comme des, outils de communication. Donc, il faudrait que euh, donc ce travail là à tous les niveaux, mhm. dans les centres de santé, au niveau des médias, des émissions vraiment, euh, je veux dire utiles ou des. J'aurais aimé que ce, en tout cas, heureusement que Kalango le fait, mhm. qu'on amène des experts en tout cas qui vont parler de la maladie en profondeur, en tout cas pour donner aux gens vraiment tous les détails, euh, ce qu'il faut éviter. Euh, malheureusement, c'est des maladies de temps en temps euh, qui, qui, font surface. donc, et les contaminations, comme je l'ai dit, se font parce que tout simplement, avec la notre vie de, promiscuité, en tout cas, nous sommes donc habitués à cette, à cette réalité. Donc, par conséquent, je pense, de mon point de vue, le ministère de la Santé, comme il a fait au temps du Covid, en tout cas, doit prendre euh, donc, euh, euh, les mêmes mesures mm. donc, pour sensibiliser les gens expliquer aux gens, en tout cas, de faire attention, surtout pour les plus petits. Vous voyez, j'ai vu que la, la, en tout cas, les plus petits, les enfants, adolescents, sont, voyez et les personnes âgées, tout cela. Donc, bon, je pense que l'élément, l'arme qu'on a, en tout cas, à notre portée, c'est d'abord l'information, la sensibilisation, euh, donc c'est comme ça, je pense, on pourra euh, euh, être aider, surtout dans le, dans le milieu rural, parce qu'il y a aussi les radios communautaires. Il mhm. faut vraiment les utiliser à fond pour passer le message, en tout cas aux parents, à tout le monde, en tout cas, pour qu'on puisse peut-être minimiser les dégâts. Mhm. Merci beaucoup. On se rappelle justement que de nombreux décès avaient été enregistrés au Niger de par le passé. Par exemple, du 1er janvier au 1er juin 2015, l'épidémie de méningite a causé 546 décès sur un total de 8259 cas selon le Bureau de coordination des actions humanitaires des Nations Unies OCHA. La propagation de la maladie semble être facile car elle se fait par le biais de gouttelettes en suspension dans l'air. Mais Diado, à votre niveau, avez-vous de nouvelles informations par rapport à l'évolution de la situation de euh, ces nouveaux cas de maladie de méningite euh, dans la région de Zander. Euh, merci Michel, mais je n'ai pas d'autres informations. Mhm. <laughs> Les seules informations que j'ai, c'est ce que vous venez de, nous dire à l'instant. Et mhm. nous avons suivi le docteur également. Euh, qui a parlé euh, de cette maladie. Mais ce qu'on doit noter, c'est que c'est une maladie saisonnière, mhm. c'est-à-dire que c'est une maladie qui est là, qui vient périodiquement. Nous savons également que c'est en période de forte chaleur qu'il y ait, euh, qu'il y a cette maladie, la méningite. Maintenant, il ne faut pas également oublier que même de par le passé, c'est la région de Zender d'abord qui a commencé à alerter, euh, parce que tout simplement, c'est une zone frontalière au Nigeria. Là aussi, il ne faut pas oublier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire Parce que euh, du moment où nous savons que ça vient avec la période de chaleur. Ça veut dire que l'État devrait également euh, prendre des précautions euh, pour pouvoir euh, améliorer le service de santé au niveau donc de ces zones mm-hmm. qui sont, comme on le dit, des zones à risque parce que Zender, Nigeria et les autres, Tawa également. Mm. Donc, c'est vraiment les, les, régions frontalières, euh, frontalières donc, euh, au Nigeria mm-hmm. qui sont d'abord confrontées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Comme l'a dit Alain Suleiman, c'est la sensibilisation. C'est vraiment de mettre à, profit les radios communautaires pour faire une très bonne sensibilisation. Vous avez entendu, le docteur a dit que c'est gratuit. Euh, le traitement. La prise en charge. La prise en charge, mm-hmm. c'est gratuit. Mm-hmm. Et ils dispose euh, des médicaments en tout mhm. cas. Donc, ça veut dire que ces populations, une fois détectées, la maladie détectée, doivent se rendre au niveau donc, de ces centres de santé pour être prises en charge mhm. gratuitement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Parce que c'est la région de Zender. Maintenant, il faut essayer de diminuer cette euh, maladie au niveau de, circonscrire cette maladie au niveau de cette région de Zender pour que ça ne puisse pas évoluer. Et même si ça évolue, que ça ne soit pas en tout cas une évolution comme euh, tu viens de nous dire à l'instant par rapport en 2015 mhm. où il y a eu plus de victimes. Donc c'est ça, c'est là où l'État doit s'engager. Mhm. L'État doit s'engager et ne pas regarder uniquement la région de Zender parce mhm. qu'il se pourrait parce que nous sommes euh, euh, quelqu'un qui peut transporter cette maladie de Zender peut mhm. bien sûr la transporter au niveau de d'Ottawa, au niveau de Miami. Il y a aussi la question de la vaccination. On se rappelle en 2015, il y a eu des soucis par rapport à ça, à, puisque à cette vaccination. les vaccins étaient devenus <laughs> euh, très rares. <laughs> les gens mettaient véritablement des moyens financiers pour, pouvoir, oui, pour, pouvoir, accéder, pour pouvoir mhm. accéder à ces vaccinations. Donc ça veut dire tout simplement ça, c'est l'État. L'État doit mettre les moyens parce qu'il mhm. ne faut pas attendre qu'il y ait plus de décès et pour pouvoir agir. Mhm. Non, on agit en fonction déjà de ceux qui ont été détectés et en fonction, parce que 22 personnes, vous avez mhm. parlé de 22, décès. 22 décès, ce n'est pas minime. 22 décès, c'est quand même beaucoup pour une région. Donc, ça veut dire que ça prend de l'ampleur. Maintenant, il faut véritablement alerter alerter la population et alerter les autres, équiper les autres districts sanitaires, mmh. renforcer leurs capacités et également mettre à la disposition la vaccination, comme tu viens de le dire à l'instant. Merci beaucoup. Le médecin l'a rappelé, il y a plusieurs microbes qui peuvent donner cette maladie qui est généralement due à une infection virale d'origine bactérienne ou fongique et ces symptômes sont, selon les spécialistes de la santé, des maux de tête, de la fièvre et une raideur euh, du cou. Ousmane coup, Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour réussir à barrer la route à cette maladie au Niger Michel, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Euh, les cas, tout comme euh, les statistiques, euh, que ce soit en 2015, comme en 2022 sont assez effarants. Donc, il faudrait que les dispositions soient prises préalablement à suivre les propos du docteur. La première des choses, c'est vraiment d'avoir une disponibilité de du, Ça, puisque les mesures à prendre, euh, El Hajj si bien dit, hein, que ce soit même pas en milieu rural, même ici en ville, euh, la, promiscuité, le contact avec les animaux. C'est-à-dire vraiment, c'est des choses, euh, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas faisables, mais c'est difficile à observer. Mm. Ça, c'est, sais pas, c'est dans notre ADN. Le respect des mesures, là, vraiment, on n'est pas trop, trop, trop regardé là-dessus. Donc, euh, moi, ce que je préconiserais, comme les deux confrères l'ont si bien dit, c'est de mettre à contribution ces radios communautaires-là avant même que ces radios soient mises à contribution, c'est doter les CSI de, de médicaments. Ensuite, mhm. tabler vraiment sur une sensibilisation intense ratissant l'âge, c'est-à-dire en mettant à contribution tous les acteurs, que ce soit les, les, les, médecins, les leaders coutumiers religieux, les autorités locales. Vraiment, il faudrait que chacun soit mis à contribution euh, pour sensibiliser et euh, davantage. Sinon, euh, les mesures, hein, les mesures à prendre sont connues de tous, hein, sont mhm. connues de, mais c'est le respect de ces mesures-là qui qui, qui, qui, qui, cause problème. Donc moi, je pense que en dotant les CSI de médicaments et en mettant l'accent sur la sensibilisation, sensibilisation euh, sous-entend la contribution des radios communautaires. Moi, je pense que à défaut de l'éradiquer, on pourrait tendre vers une atténuation. Surtout que euh, le, la période s'y si, si, prête. Nous sommes en, période de chaleur. Euh, nous tendons vers les pics de cette chaleur. Donc, vraiment, c'est de d'intensifier les efforts pour, comme je l'ai dit tantôt, à défaut de l'éradiquer, au moins atténuer ces cas qui sont assez illustratif euh, et qui inquiète à plus d'un titre. Merci beaucoup. Espérons alors que cette euh, situation va justement pouvoir euh, être améliorée dans les jours à venir. Nous passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits des femmes institutionnalisée par les Nations Unies depuis 1975. C'est une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Elhaj Mohamed Suleiman, quelle est l'importance de la célébration de cette journée mais cette journée permet justement euh, à travers le monde, parce euh, que une journée internationale, donc euh, tous les pays sont intéressés, de faire une sorte d'évaluation des droits humains, les inégalités et le thème de cette année, c'est justement l'égalité des sexes, pour, un, avenir durable. Donc, mhm. vous voyez, l'humanité au XXIe siècle. Mhm la question euh, d'égalité, même si par ailleurs, euh, il faut ainsi, euh, c'est un concept selon les pays. Donc, mais je pense que le plus important, c'est il y a des réalités dans notre contexte, par exemple, socio-culturel, qui font que la femme, c'est un citoyen de seconde zone d'une certaine façon. Et on pense qu'au regard des statistiques, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans un pays. Et vous ne pouvez pas développer un pays mhm. lorsque euh, sa moitié est mise à l'écart. Euh, donc, euh, c'est des réalités. Donc, il va falloir se dire que plus nous éduquons donc les filles, plus justement on donne la femme la possibilité de développer son potentiel parce que à l'épreuve des faits dans, le monde, grâce à l'école, on a vu que les femmes euh, font montre justement de génie, en tout cas tout ce que l'homme peut faire, euh, dans la mesure du, euh, de, de, possible, en tout cas la, la femme euh, l'a fait ou bien peut le faire. Mm. Donc par conséquent, c'est des clichés donc qu'il faut donc combattre. Mais le plus important, à, à, mon sens, c'est vraiment de permettre au, au pays de tenir compte justement de certaines réalités euh, qui font que euh, c'est des obstacles même pour le développement du pays. Mhm. Euh, par exemple, vous voyez, on parle d'égalité des de, chances. Quand vous regardez les textes, nos constitutions, vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, pourquoi on parle de quotas, par exemple, pour en fait une sorte de discrimination positive. parce que tout simplement, les réalités sociales ont fait, fait en sorte que, en termes de leadership, la femme reste toujours derrière. Donc, euh, vous voyez aujourd'hui, par exemple, l'exemple que je peux donner à travers ce forum de la presse, il n'y a qu'une seule femme. Et Kalangou a appelé les, les, les, femmes journalistes à venir à ce débat. Il n'y a que Memoun qui tient donc, euh, le bout, parce que, vous voyez, donc, c'est-à-dire que comme dans, dans, toutes les femmes, à, travers toutes les sœurs, les, les consoeurs, euh, est-ce qu'elles n'ont pas le temps de venir faire faire le débat euh, donc, je veux dire que euh, c'est vraiment un aspect. Mais l'autre élément, en tout cas, que je constate à travers ce. C'est devenu un parce que chaque année, le 8 mars, en fait, euh, j'ai vu un activiste qui a balancé le 8 mars une image, une femme rurale, en tout cas, qui est en train de chercher de l'eau vraiment dans un trou, absolument où elle peut perdre sa vie parce que c'est c'est dire que vraiment il y a des préoccupations absolument non seulement la femme dans le milieu urbain euh, elle n'est pas sortie de l'ornière, mais aussi quand on prend la dimension de la femme dans le milieu rural où elle est face vraiment, euh, vraiment au corvée au sens où le fait d'épiler, le fait d'aller chercher euh, du, bois mhm. le fait d'apporter de, l'eau sous sa tête sans tenir compte justement de la tâche la plus noble pour la femme, le fait d'enfanter, entretenir. Nous sommes aujourd'hui des, des, des, des parents, mais nous savons que en tant que parents, ce que font les femmes aux enfants, mhm. ce que nous faisons, nous sommes loin justement à faire ce... Parce qu'en réalité, ce que... Imaginez par exemple, toi, elle donne ton bébé pour juste 3-5 euh, minutes, tu vas commencer à te prendre, prendre, prendre. Mais imaginez, elle, elle vit tout le temps avec, avec, avec lui. Mhm. Donc, il y a vraiment tous ces défis qui montrent que la place de la femme, en tout cas, comme euh, les gens le disent, effectivement, quand on éduque, il faut plus éduquer les filles euh, que, que, les garçons. Parce qu'arrêter la femme, c'est elle qui, qui, qui, vraiment, c'est le moteur de la famille mhm. et de la société. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, important et on voudrait bien que euh, dans la politique du, du, genre, en tout cas, le chef de l'État, il a privilégié cet aspect-là. C'est important, justement, en tout cas, toute la question, on a beau, en tout cas, déceler les, les, les pistes, mais la meilleure, c'est l'éducation qui constitue vraiment l'ascenseur mhm. pour tout le monde. Et justement, euh, c'est pourquoi il faut vraiment euh, euh, non seulement envoyer les filles à l'école, mais aussi les accompagner. Mhm. Les accompagner à la maison parce que vraiment, en tant que parent, je me rends compte que aussi, comme vous voyez, il y a aujourd'hui des parents à la maison qui accompagnent eux-mêmes. Au moins être présents, survie et l'éducation des, enfants, mhm. mais il y a des parents où franchement, euh, euh, déjà on fait assez trop le fait d'envoyer les, les, enfants à l'école, mais chercher un répétiteur, euh, on peut dire que ça, demande des moyens. Mais en réalité, puisque quand on est sommes instruits, nous pouvons. C'est vrai, on, on, est venu à la maison, c'est vrai, on est fatigué, mais au moins demander à l'enfant son cahier, qu'est-ce que tu as fait. Vraiment, je pense que cela fait en sorte que soi-même, on peut suivre euh, l'éducation des enfants. Donc, bon, bref, euh, moi, je pense que c'est une très bonne chose, le 8 mars en tout cas, euh, mais davantage, il faudrait que les femmes se battent vraiment à, à poser les vrais débats, à tenir compte vraiment des priorités. Il y a des priorités. Euh, quand on voit vraiment euh, toutes ces années ce qu'on fait, mhm. par exemple, euh, le, la personne qui a posé dit en fait, vous dépensez 160 millions ah, pendant que voilà vos soeurs sont en train de faire bon euh, pour une journée justement pour une, journée donc c'est dire que franchement il, va falloir euh, euh, vraiment garantir le droit à l'éducation absolument à partir même de la jeune fille parce que c'est de là que ça commence Maïmoun Diado quand on parle des droits des femmes qu'il y a lieu de promouvoir ici quels sont les autres droits les fondamentaux à ce niveau qu'il faut rappeler mais c'est ce que là je viens de dire l'éducation d'abord mhm. Parce qu'il faut vaincre l'ignorance. Mhm. Et pour vaincre l'ignorance, il faut l'éducation. Éduquer les filles, les maintenir à l'école. Mhm. Parce que quand on regarde euh, dans le fond fond Niger, quand on prend l'exemple des femmes rurales, parce que moi, euh, je, mets l'accent sur la femme rurale. Mhm. Aujourd'hui, une fille qui, a, qui a été éduquée, une fille qui a eu la possibilité d'aller à l'école. Cette fille peut changer sa communauté. Mhm. Elle devient leader. Mhm. Donc, quand on fait un plan statistique, ça veut dire que d'ici cinq ans, on pense que cette fille va pouvoir améliorer mhm. les conditions de la femme et de sa communauté. C'est ça, l'émancipation de la femme. à, son niveau. Ce qui va l'amener vers l'autonomisation de la femme. On est d'accord sur ça. Parce que tout ce que tout ce qu'elles veulent faire, mhm. s'il n'y a pas l'éducation, c'est zéro. Mhm. Après l'éducation, qu'est-ce qu'il y a lieu de renforcer Il y a, euh, s'il y a la possibilité, c'est de renforcer ces femmes euh, en besoin, surtout l'eau potable. Parce mhm. qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau. C'est mhm. très important et l'accès aussi aux secteurs sociaux de base. Mhm. Ça veut dire la santé, l'éducation que je viens de dire à l'instant. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi le thème. Moi, je me dis que le thème de cette année, ça a un L'égalité. C'est un lien avec les changements pour climatiques. Un avenir durable. Avec le changement climatiques. C'est-à-dire que toute décision qu'un État doit prendre, l'État doit d'abord euh, écouter la voix de ses femmes. Parce que avant le changement climatique, la femme n'avait pas de difficulté à chercher le bois. Mhm. Avant le changement climatique, l'eau était à côté de cette femme. cest à dire que nous avons des mares, nous avons tout. Mais aujourd'hui, c'est pas facile pour cette femme parce qu'elle doit faire des kilomètres à la recherche de l'eau. Mhm. Dans les zones rurales. Dans les zones rurales. Mhm. Elle quitte chez elle à 4 heures du matin pour revenir à partir de 8 heures ou 7 heures. Ça dépend du kilométrage, en tout cas. Mais l'égalité qu'est-ce que ça veut dire l'égalité de sexe Non, l'égalité, euh, moi je ne parle pas d'égalité de sexe, mais je mhm. parle d'égalité en tant que... Euh, en termes d'accès. En termes d'accès. En termes de droit, en, termes de, l'éducation. La même possibilité que les hommes ont pour aller à l'école, il faut donner cette possibilité à la femme, à la petite mhm. fille d'aller à l'école. C'est ça l'égalité. L'emploi, l'accès aux emplois, c'est la même chose. Mhm. On dit diplôme égal. Mhm. Donc, salaire égal. Mhm. L'homme qui a le même diplôme que la femme aujourd'hui, donc cette femme aussi a le droit d'avoir le même traitement salarial. C'est vrai que ça a été à la base d'ailleurs des premières luttes pour les droits des femmes. Oui, les ouvrières. Euh, euh, euh, Elles avaient réclamé justement des salaires égaux par rapport donc à ce que faisaient les hommes. Il ne faut mm. pas voir l'égalité comme les autres femmes pensent que mm-hmm. l'égalité, quand on parle de l'égalité entre la femme et l'homme, mm-hmm c'est l'égalité que <laughs> ça sous-entend autre chose. Non, mhm. l'égalité, c'est les droits. Mhm. J'ai une fille, elle doit aller à l'école au même pied d'égalité que j'ai inscrit le petit garçon. Mhm. J'ai une femme qui travaille. Moi, je, travaille. Donc, laisser la possibilité à cette femme qui a étudié, pour la laisser aller travailler. Mhm. C'est ça l'égalité. Aujourd'hui également, en termes de changement climatique, pourquoi quand on écoute, c'est les hommes qui prennent les décisions, à la place de ces femmes qui, c'est elles qui subissent en tout cas le changement climatique. Mhm. Ça veut dire que et on écoute la voix de l'homme et il faut écouter également nécessairement la voix de la femme mhm. parce que toute décision qu'un État va prendre sans écouter cette gente féminine, parce que c'est elle qui, c'est elle qui doit en tout cas en bénéficier. Mm. Donc ça veut dire que ça tomberait à l'eau. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Voilà, moi je me dis que je me mm-hmm. dis que en fait, c'est une lutte, quand on regarde depuis 1975, euh, mm-hmm. ça a été institué par les Nations Unies. Donc, 47 ans de lutte, 47 mm. ans de bilan, qu'est-ce que ça a apporté Maintenant, il faut que chaque pays mm-hmm. réfléchisse à sa manière dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'il faut faire Parce mhm. que moi, je me dis, c'est pas venir aujourd'hui, vous m'excusez, hein, réunir des femmes, peut-être à Mahatma Gandhi, qui va changer les choses. Non. Les femmes qui ont eu accès à Mahatma Gandhi, ce sont les citadines. Ce sont les citadines qui ont eu accès mhm. à Mahatma Gandhi. Où sont ces femmes rurales Ça leur donne de la visibilité. Parce que les femmes citadines ne peuvent pas réfléchir aujourd'hui mhm. sans ces femmes qui sont euh, à la place de ces femmes qui sont euh, qui vivent en rural. Quand on, quand on regarde, on a plus de 50% de la population de la gente féminine. Les 10%, moi, je les mets côté citadine. Les 40%, c'est les femmes rurales. Mmh. Ça représente les femmes rurales. Donc, ça veut dire que plus vous vous limitez à organiser vos activités d'une journée dans une capitale, plus vous limitez vos chances d'accéder, en tout cas d'avoir un pourcentage réussi de sensibilisation, de donner en tout cas euh, à la possibilité de ces mm. femmes-là d'avoir leurs droits. Ça, veut dire, que la sensibilisation, Michel, ça ne doit mhm. pas s'arrêter ici, mais ça doit, ça doit être, en tout cas, comme ils l'ont expliqué avec le 13 mai, sont déconnectées ou, dans le 13 mai, majorité. dans d'autres régions que, ça se passe. Pourquoi le 8 mars, on ne peut pas également l'amener à d'autres régions que doivent faire les femmes pour réussir à continuer à améliorer le niveau du respect de leurs droits au Niger Pour les femmes, pour les femmes, cette journée, certes, elle a été instituée depuis plusieurs décennies. Moi, je pense que euh, le Niger, <laughs> à l'instar des autres pays, l'a célébré. Mm. Mais là où se pose euh, le léger bémol, c'est cette pensée assez particulière et spéciale d'ailleurs à ces femmes rurales dont euh, on en a, ils en mm-hmm. ont fait cas. Et, corvéables, c'est elles qui le sont à merci, mm. mais elle continue de payer ce lourd tribut. Mhm. C'est-à-dire en termes de droits, en termes de, euh, d'accès, vraiment, elle, elle en elle continue de payer le lourd tribut. Or, la lutte se devait d'être menée à leur nom. Ils l'ont bien dit aujourd'hui, euh, quand euh, vous prenez, par exemple, euh, on a tablé sur la, scolarisation de la jeune fille. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la scolarisation. C'est bien beau, c'est facile de scolariser. Maintenant, c'est le maintien. de ces jeunes filles à l'école-là. Elles sont combien des jeunes filles qui brillaient dans leurs études, mais à un certain mhm. âge, du seul fait de certaines pesanteurs ou bien de certaines voix, ont vu leur cursus... Le précoce, par exemple. Justement, mhm. ont vu leur cursus stopper net mariées et la plupart des cas, elles sont finies dans des, des, des trucs de, de euh, avec les trucs de fistules. Mhm. C'est ça, ça, peine, Michel. Donc moi, je pense que il faudrait euh, trouver les mécanismes pour que à la célébration de chaque édition, que vraiment ces femmes rurales là se sentent vraiment, je ne dirais pas, impliquées de bout en bout. Euh, parce que c'est elles qui sont corvéables à, à merci. Aujourd'hui, faites un tour en milieu rural, ça fait pitié même s'il y a une corrélation avec les, les changements climatiques donc, les conséquences, c'est elles qui vivent ça dans leur chair et leur âme. Mhm. Donc, moi, je pense que euh, beaucoup reste à faire. Il faut aller au-delà de la célébration, du folklore, de conférence, animation, c'est-à-dire il faut vraiment que cela se matérialise dans leur vécu quotidienne et que cela se sente. Il mhm. faudrait qu'elles sentent véritablement qu'il y a une journée euh, qui, qui, leur est dédiée mhm. et que, euh, à défaut, bah, il ne faut pas se tromper quand même, comme tout va se résoudre euh, à l'effet d'un coup de baguette, mais quand même qu'elle sentent qu'il y a un début, qu'il y a une amélioration qui est en train d'être, euh, qui, qui, va se ressentir euh, dans leur vécu quotidien. Merci beaucoup. Il y a donc des efforts à faire à divers niveaux. Abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse du studio Kalongo de ce soir. L'association nigérienne pour le pèlerinage et la Oumma ANAP a confirmé la levée samedi dernier de la plupart des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 par les autorités saoudiennes qui ont décidé de dispenser notamment les voyageurs vaccinés de quarantaine ou de tests de dépistage, une mesure qui aura facilité le pèlerinage euh, musulman à la Mecque. En 2021, seules 60 000 personnes, composées de citoyens saoudiens et des étrangers résidant dans le royaume, avaient été autorisés à accomplir ce cinquième pilier de l'islam après avoir été vaccinés alors qu'ils étaient quelques 2,5 millions de fidèles musulmans à le faire avant la pandémie en 2019, rapporte le journal Le Parisien. Elage Mohamedou, Suleiman, quels sont les principaux changements qu'on aura à partir de cette nouvelle mesure prise samedi dernier le royaume euh, d'Arabie saoudite qui abrite euh, les deux principaux lieux saints de l'islam, la Mecque euh, et Médine. Ben, il faut se réjouir du fait que de plus en plus, à travers le monde même, je constate que les gens qui, faisaient, qui nous ont imposé en tout cas ce carcan, de plus en plus, vous allez voir que le port du, de, de, de, de, masques. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle euh, parce que absolument parce parce qu'en réalité, le Covid a tué euh, d'une certaine façon l'humanité parce qu'il a tué l'économie. Il y a mhm. beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Vous voyez, la, le Hajj même en tant que tel, vous voyez les agences de voyage Hajj et Umrah c'est une activité économique des plus florissantes dans le mhm. pays qui, a cessé depuis justement 2019. Euh, euh, donc, vous voyez, et même pour l'Arabie Saoudite, je pense à que c'est l'argent qui est payé. À travers les visas, mais surtout à travers les pèlerins. Absolument. Les dépenses qui sont faites sur le territoire saoudien. C'est une activité que mhm. ces gens vont faire un seul moment de l'année, mais qui leur permet vraiment de réaliser des chiffres mhm. d'affaires euh, euh, très intéressant. Euh, donc ça impactait véritablement euh, la vie économique de ces armées, aussi du pays. Mhm. Et au moment en Arabie effectivement, c'est une. Euh, imaginez par exemple, quand l'Arabie Saoudite, c'est le, acteurs secteur hôtelier, le tourisme, euh, ce que ça rapporte en termes d'argent, vous voyez. Donc, euh, c'est une très bonne chose, ces mesures donc, qui sont levées. On a vu le samedi où la mesure a été annoncée, mhm. au niveau donc, de la mosquée, donc, de la Kaaba, la prière. Donc, il n'y a, plus de mesures à la, mosquée. Absolument, il n'y a pas de sensation. Les gens vont un pays normalement on a dit juste seulement c'est dans les lieux mm-hmm. fermés. Dans les, seulement qu'il faut, porter la bavette. Mais aussi, mm. maintenant, quand les gens euh, vont voyager, donc on ne va plus vous exiger en tout cas donc, euh, un test, euh, mm-hmm. donc, où vous êtes, le PCR négatif. Donc il y a donc cette, je veux dire, possibilité donc de faire le mm-hmm. Hajj parce qu'il y a beaucoup de gens parce que c'est quand même une affaire, religieuse. Hier seulement, j'ai vu une dame qui a déjà versé son argent. Elle m'a dit que moi, j'ai décidé, même quand je vais mourir, quelqu'un doit faire le hajj à, mon nom. Pour vous mm. dire que, et dit qu'on m'a demandé, ma voiture est fatiguée d'acheter une. Et donc, non, il dit que la voiture, c'est pour la vie. Moi, quand je mets l'argent, il faut aller faire. Donc, vous mm-hmm. voyez un peu la dimension euh, de la chose. Mm-hmm. Comment quelqu'un peut effectivement mettre toute sa vie pour aller faire ce voyage de, sa vie, justement. Mm. C'était euh, l'attente, euh, d'ailleurs, euh, avant de mourir. Ils se disent qu'il faut l'accomplir au moins une fois avant de mourir. Donc, vous voyez, mm-hmm. le Covid, dans sa dimension donc, spirituelle, mais aussi, ça a séparé le, mm-hmm. le, le, le, le, monde. On voyage plus, euh, tout se fait par euh, visioconférence, euh, <laughs> vous voyez. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose. Donc vraiment, moi, je pense que vivement que ce soit vraiment la fin du Covid, que, que nous puissions vraiment vaquer à nos occupations. Merci beaucoup. c'est vrai, en, tout cas, ils disent que jusqu'à preuve du contraire, les autorités sanitaires donc saoudiennes, parce que c'est eux qui ont donc fait le bilan. Mhm. Donc jusqu'à présent, dès qu'effectivement il y a des situations, ils vont encore donner mhm. de, des instructions et l'État va, avoir les appels. Mais pour le moment, on peut espérer que le Hajj 2022 il est ouvert pour tout le monde. Merci beaucoup. Il y aura justement donc des rencontres avec euh, des missions de différents États qui seront en Arabie Saoudite. Maïmoun Diado, est-ce qu'il faut se réjouir de cette euh, décision à partir du moment où on le sait quand même, des efforts et des appels continuent à être lancés afin qu'on puisse respecter au niveau de chaque État les mesures barrières contre la COVID-19? Mais il faut se réjouir. Mmh. Il faut se réjouir euh, de la levée de certaines mesures au niveau de l'Arabie saoudite pour que, euh, parce qu'il faut regarder le nombre de musulmans qui n'ont pas pu effectuer le Hajj, mmh. plus de deux ans. Mmh. Ici au Niger, on a vu des gens qui ont pleuré. Mhm. Parce que certains sont morts, certains sont morts sans pouvoir aller. Et, donc, c'est vraiment, ça reconforte aujourd'hui mhm. euh, ces populations, ces musulmans qui veulent effectuer coûte que coûte le mhm. Hajj. Et de l'autre côté, il faut également voir que l'économie aussi, ça a un coût. Ça a eu un coût sur l'économie. Parce que regardez le nombre qui est permis d'aller au Hajj. Et avec également cette situation de Covid-19, le nombre a été réduit. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ça a affecté également l'économie de ce pays. Mhm. Ça veut dire les autorités saoudiennes même n'étaient pas du tout contentes de cette situation à partir du moment où il y a eu des manques à gagner. Voilà. Mhm. Mais aujourd'hui, on se réjouit que après des discussions, ils sont arrivés à lever ces sanctions et c'est pas ces sanctions, mais c'est ces dispositifs en tout cas pour permettre à tout le monde, mhm. en tout cas, d'effectuer le Hajj. Ça, c'est une très bonne idée. Et nous espérons également que les autres pays parce qu'il y a déjà l'Afrique centrale, il faut le mhm. dire, hein, qui ont déjà enlevé cette situation de PCR à l'aéroport, aller comme au retour. Mhm. Euh, je peux citer... Les périodes où il faut venir euh, s'isoler. Euh, aujourd'hui, l'Arabie saoudite a, suspendu ça également. Oui, donc ça veut dire qu'il faut se réjouir. Quand on vient directement, on peut vaquer à ses occupations. Tu peux vaquer à ses occupations, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mhm. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, l'Afrique centrale a fini avec ça. Espérons que l'Afrique de l'Ouest aussi va suivre. Mhm. Merci beaucoup. Ousmane euh, Sidikou, que faut-il alors souhaiter pour ce prochain Hajj euh, qui aura lieu vers la période euh, du 7 au 12 juillet 2022, ce prochain Hajj donc en terre sainte de l'islam On ne peut que souhaiter bon pèlerinage au futur pèlerin puisque deux ans, comme dirait l'autre, c'est pas caillou. Mhm. Euh, le manque à gagner s'était fait durablement ressenti mhm. à tous les niveaux, que ce soit le pays hôte. Euh, vous imaginez les pertes. Euh, pour ce pays-là, en termes de rentabilité, dans les différents secteurs, ne serait-ce que le tourisme, les, l'âge je l'ai si bien dit, je, passe sur la restauration, les agences de voyage là aujourd'hui, mhm. Euh, je ne dirais pas qu'elles sont l'ombre d'elles-mêmes, mais quand même, euh, elles euh, se morfondent. Mhm. Donc, ce n'est qu'une bonne chose et une très bonne nouvelle. Donc, on ne peut que prier que cela s'élargisse dans d'autres contrées ou dans d'autres domaines, mhm. vivement la fin de cet état d'urgence sanitaire qui a vraiment pesé sur les divers secteurs sociaux de base. Euh, euh, aujourd'hui, combien d'emplois ont été carrément supprimés du seul fait euh, de cette pandémie Et Combien de familles sont sur le carreau puisque le monsieur ou bien la dame en charge de subvenir aux besoins se retrouve sans boulot. Donc vraiment, les conséquences n'ont été que trop fâcheuses sur bien d'aspects. Euh, c'est là où je dis c'est une très bonne nouvelle et vivement euh, que ça s'élargisse et que vraiment les pèlerins, euh, même en termes de foi, imaginez deux ans durant, il y a combien qui ont rendu l'âme pourtant avec l'intention d'aller accomplir ce rite religieux-là, le cinquième pilier de l'islam. Mhm. Donc l'intention y était, mais du seul fait de cette restriction, ils n'ont pas pu aller, mais la volonté y est, Dieu il connaît l'intention de tout un chacun. Mhm. Donc on ne peut que se réjouir en tant que musulman et en termes de rentabilité, aussi bien pour nos agences ici, tout comme euh, le pays autre que l'Arabie saoudite. Merci à tous, euh, chers auditeurs. Nous sommes euh, donc au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 11 mars 2022. Nous disons merci à nos invités, Elage Mohamedou Souleyman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Maïmoune Gado, journaliste indépendante, et Ousmane Sidiko, journaliste indépendant également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji, côté son Amina Hassan. Excellente soirée donc à toutes et à tous et au revoir.